Bismillahirrahmanirrahim. wa salatu wa salamu ala asraf anbiya wal mursalin li don junju Moi li ndax tey sëñ nena nee ngay dox océan yi di manam xuus ci géej ay at ngir rek am résultat kenn ku dugg ci tam jaar ci rek wala nga fekke ko newoon na biñ koy yërëm mu ne su ma yeggoon New York rek ci aéroport ba taxaw fa sax kenn nit dugg fa ci lislaam ma wàññi ko rek jar na ko te yëgatuma coono bi kon la an yahdiya laahu bika rajulan waxidan xayrun min xamri naam moo gën àddina ak li ci biiram kon tey ci turu sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne moo fi suñ kilifa am na koo xamante ne bii soxna la ci kenn ci taalibe yi waaye comme ni lislaam bëggee comme lislaam may na ko ko mu ànd ak moom bàyyi ko ba lislaam convaincre ko mu nar a dugg ci lislaam tey nga xam ne gannaaw yàlla ci événement bii la jaare kon loolu ñun ñëpp war nañoo seen daal alhamdulilahi rabbil alamin donc ce qu'on est en train d'assister C'est un résultat très important et Cheikh Mahmoud Moutala a dit que même s'il donc euh, voyageait donc à travers les mers, les terres, les océans pour avoir un résultat de quelqu'un qui entre en l'islam, donc il ne sentait plus donc le donc euh, la douleur donc du voyage. Donc, donc aujourd'hui, si on organise un événement pour propager et partager les enseignements de l'islam à travers les enseignements de Cheikh Bamba, donc nous tous, nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on remercie et on dédie tout cela à Cheikh Hamoud parce, que sans lui, cet événement, donc, ne pouvait pas donc, avoir lieu. C'est lui qui a donné l'ordre, qui a instruit les talibés, qui a donc envoyé son frère et ses fils, vraiment, et ses talibés, les grands érudits, pour organiser cet événement. Donc, longue, vie à Cheikh Montaha. Donc, on va vous prolonger la shahada. Vous me suivez et vous le direz. Et après, le professeur Galangiaï va vous donc donner quelques recommandations pour les nouveaux convertis parce qu'il est imam à, <laughs> Belgique chaque jour donc il donc, organise cette cérémonie donc vous me suivez ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكبير ما شاء الله alors madame félicitations Vous allez répéter aussi en français. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, dehors d'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Félicitations. Félicitations. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, à cet instant, nous tous ici réunis dans cette salle, elle est meilleure que nous tous ici présents. Vous savez pourquoi Parce que, à partir du moment qu'on se convertit à l'islam, notre carnet de péché, tout est effacé. Ce qui veut dire qu'elle a une page vierge, un avenir devant vous à remplir avec des bonnes choses. Alors la première chose, donc parmi les recommandations, c'est d'apprendre les cinq piliers de l'islam, essayer de les connaître. Mais la première chose, c'est la purification. C'est-à-dire comment faire le lavage majeur, comment faire les petites ablutions, et puis comment faire la prière. Et en commençant par la sourate al-Fatiha, que vous devez absolument mémoriser dans les jours à venir. Mais pour l'instant, vous pouvez toujours encore prier, soit avec votre mari, soit même avec un livre, avec le Coran, si vous savez lire la phonétique. Et donc, vous pouvez déjà commencer à lire, même si vous avez donc un carnet donc, euh, sous la main. Le mieux, c'est de suivre maintenant votre mari pendant donc, les cinq prières et le temps d'apprendre et d'assimiler, surtout la Fatiha et la purification. Alors, donc l'islam efface donc tout ce qui est donc euh, dans votre passé. Donc euh, actuellement, vous êtes comme si vous êtes un nouveau-né, celui qui vient de naître en, euh, dans la vie, en fait, parce que vous avez une page vierge. Donc vous avez l'avenir devant vous, et donc tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de remplir cette page avec des bonnes choses. Bienvenue en islam et marhaban. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh takbir allahu akbar comme comme on a dit wal muallafati qulubuhum ñi nga xamante ne bii xëy na dañuy waaj a tuub ñii doog a dugg ci ci l'islam dañ leen a war a jox azaka l'islam donc recommande que al muallafati qulubuhum ce qu'on espère qu'ils vont en islam et non non ça c'est pour Cheikh Mundara. c'est Cheikh Mundara qui donne d'abord c'est Cheikh Mundara. c'est ça c'est Serigne Mundara. je le donne au nom de Serigne Mundaha. donc après Cheikh donc c'est Khadim donc nous symboliquement donc on lui donne comme on, doit lui le donner donc symboliquement Zaka donc on doit lui soutenir l'accueillir, donc le donner bienvenue à, l'islam. Donc c'est cela justifie donc cet acte. Parce que vraiment, oui. Comment tu voilà. Donc, comme vous le savez, il y a parmi les ce qu'on appelle les ayants droit donc de la zakat, donc, euh, qui sont au nombre de huit catégories de personnes, donc citées dans le Coran. Et donc, il euh, figure donc, euh, la personne qui soit nouvellement convertie, ou bien on espère que la personne se convertisse donc, à l'islam. Et donc, pour attirer son cœur à l'islam, pour le faire comprendre ou faire comprendre à la personne que l'islam c'est la solidarité, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la compassion, l'islam veut dire qu'on est ensemble dans le malheur, dans le bonheur, et là on est devant donc un acte de bonheur, car c'est une conversion ou bien une reconversion, parce que comme vous le savez, nous tous on est nés donc, euh, dans l'islam, كل مولود Et donc, chaque être humain naît avec ce qu'on appelle la nature saine, al-fitra. Donc, la fitra, c'est la page vierge donc, euh, qui est ouverte donc, à toutes bonnes choses. Et donc, euh, voilà euh, cet acte que vous avez accompli, c'est pour attirer donc d'autres personnes qui vont même, leur cœur sera donc euh, attiré vers cette belle religion qui est l'islam. Merci beaucoup pour tout le monde et que tout ce que vous avez donné, qu'Allah le mette sur votre balance le jour du jugement dernier.